la jeunesse du, de la majorité présidentielle du département de Guédiawaye tient à adresser ses sincères félicitations et ses encouragements au président de la République Macky Sall suite à l'installation du nouveau gouvernement intervenu le dimanche 7 avril 2019. Ce nouvel attelage gouvernemental mis en place montre, encore une fois, sa vision et son souci à faire de la jeunesse une priorité dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent. En effet, cette volonté du président de la République est concrétisée par la présence de jeunes dans l'attelage gouvernemental, dont particulièrement notre sœur et camarade Nene Fatoumata La nomination de cette dernière à la tête du département de la jeunesse n'est pas fortuite, dans la mesure où elle joue de toutes les compétences requises pour occuper ce poste. Ses capacités managériales ne sont plus à démontrer. Si l'on sait qu'elle a été présidente du conseil d'administration de la Loterie nationale sénégalaise, l'ONAS, pendant sept ans, et par ailleurs coordonnatrice des femmes du département de Guédiawaye pendant 5 ans. La jeunesse de la majorité présidentielle du département de Guédiawaye, avec à sa tête Mamadou Yayaba, le coordonnateur, souhaite plein succès à Madame le ministre de la Jeunesse et s'engage à l'accompagner pour relever l'ensemble des défis majeurs de son secteur. Par ailleurs, nous attirons l'attention de M. le Président de la République quant à la nécessité de mettre un contenu assez important dans ce ministère pour atteindre l'objectif du million d'emplois promis pour ce quinquennat. Et lui manifestons toute notre disponibilité à assumer d'autres responsabilités qu'il voudrait bien nous confier. Nous ne saurions terminer sans remercier vivement l'ensemble de ces jeunes ici présents du département pour leur engagement sans faille lors de la dernière élection présidentielle du 24 février 2019. Je vous remercie. Effectivement, parce que le ministère de la Jeunesse est un ministère très stratégique. Et nous savons tous que euh, le problème le plus criard ici au niveau des jeunes euh, au Sénégal, c'est le problème de l'emploi. Donc ce ministère a besoin d'être outillé davantage pour prendre en charge vraiment cette donne qui a toujours été un, gros problème pour tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État. Donc, ce ministère ne peut pas être politique. Parce que c'est un ministère de la Jeunesse, ça concerne l'ensemble des jeunes du Sénégal. Et Madame le ministre, comme nous le connaissons très bien, va prendre en charge l'ensemble des doléances et attentes de cette jeunesse euh, qui, a, besoin de ça. Et nous espérons, plus que par le passé, que cette, jeunesse verra exactement ce que vaut euh, la, dame nommée euh, au niveau de ce département

moi, je pense que c'est même manquer de respect euh, à la concernée, parce que Mme Nenefad Matatal, au-delà de ses compétences, a été une militante de la première heure, loyale, très engagée, que nous connaissons tous, que tous les, euh, que tous les militants de l'APER au niveau national connaissent très bien. Je pense que c'est un mérite. C'est un mérite, euh, c'est sa loyauté et, son engagement avec le président. que adjoint, majorité présidentielle,

xalaatam ak bëgg-bëggam loolu gis nañ ko ci kii bi rawatina nag rawatina tey suñu jigéen di suñu sœur muy Néné Fatoumata Tall mi nga xamee ni tey da ko fal jox ko ministère bi nga xamee ni ministère ndaw ñi la jeune Guédiawaye yëpp ñu ngi koy jaajëfal di ko sant di ko gërëm si loolu euh, loolu lii nag bettuñu bettuñu parce que ki ñu fal dafa nekk koo xam ni dafa wane la mu mën parce que juróom-ñaari at jiite na ko euh, banqaas bi ñuy naan LONASE moom mooy loterie nationale sénégalaise rawatina loolu moom si boppam jigéen ñi nga xamee ni ñoom ñoo nekk si géejawaay jiite na leen juróomi at kon kooku yaakaar naa ni ay mën-mënam ak aussi tamit euh, xam-xamam dépassé na cadre ministre loolu moo tax tey ñu ñaax président de la république ne ko ministère boobu mu fal suñu jigéen xam ni sas la boo xam ni jeune Sénégal bi yëpp ñoo ko sasoo mu dooleel ministère boobu mu pour objectif bi nga xamee ni bëgg-bëgg bi nga xamee ni président am na ko si un million d'emplois pour ndaw ñi tey bu dooleelee ministère boobu ndaw ñi mën nañoo au moins

à APR yaakaar naa ni bu ñuy xool ñi ko sanc ak ñi si sonn kenn gënu ko sonn kenn gënu ko au moins donc góorgóorlu rawatina li nga xamee ne au moins donc déjà tey muy xam-xamam ak mën-mënam ak yaatuwam waaw donc yaakaar naa ni côté boobu am na si benn xel ñaar